ba tey ci seen scandale du jour euh, pour les médias yi nga xamante ne ñooy les médias internationaux am ngeen lu leen doy xam nga waxoon naa ko fi il faut ngeen ñuy bàyyi Cheikh Tidiane gaajo nag moom it wax na ci li nga xamante ne loolooy dëgg na ngeen déglu Cheikh Tidiane Gadio. on va parce que. Euh, Il y a eu beaucoup d'interventions. On ne souhaitait même pas en faire une parce que, comme disait l'autre, ce qui a été dit est dit. Le seul problème, c'est qu'il y a peut-être quelques petites précisions que je vais faire très rapidement. Euh, notre frère. S'il vous plaît, un peu de silence derrière. Notre frère, euh, maître euh, euh, Amadou Eliman Khan, c'est bien ah, Notre frère, je le connais depuis 20, quelques années, donc notre frère Amadou Ali, Khan euh, a, bien précisé une chose que vous devez noter. Il a dit, moi personnellement, vers la fin, sur la question de comment on va régler le problème du 2 avril, il a dit, moi personnellement, je pense que c'est mieux que le président de la République démissionne qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Il a fait des propositions. Nous sommes dans un front démocratique. Nous sommes liés par des relations euh, d'amitié, d'engagement, de tolérance. Chacun d'entre nous a le droit d'avoir son point de vue sur certaines questions. Mais nous, ce qu'on a partagé avec vous dans la déclaration, euh, c'est ce que nous pensons ensemble. Maintenant, certains d'entre nous pensent que la question du 2 avril devrait faire euh, l'objet d'un point important lors de la concertation nationale et les gens s'entendront sur comment gérer ces questions-là. Que si c'était des questions simples et si nous avons un préjugé favorable par rapport à l'intelligence des sages du Conseil constitutionnel, on se dit que si c'était simple, les sages l'auraient tranché dans leur décision et il n'y aurait aucun débat dans ce pays sur cette question. Donc, ils ont laissé quelque part. Euh, gis nga fii ku newul ci bu gudd bi yaa ci qui gàtt bi France yéen a ñu ay problème États-Unis yéen a ñu ay problème yéen a ñu ëppi ay problème donc na ngeen maandu ci suñuy mbir ku nekk na ce kopp bi mu yor. yow munoo rek yow yaa ngi yor paan lijjanti woo paan bi bëgg lijjanti suñu kopp gii Sénégal dinañ ko comparer ak Amérique mënta ne Sénégal ak France mënta ne donc ngir yàlla jëmm rasulillaay na ngeen ñu baax bàyyi ñu bu ñu nekkee ay dof bëgg nañ bu ñu amee ay dictateur bëgg nañ ndax nee naa leen yéen li tax ñu bañ ku yor ñaari nationalité dirige suñu Sénégal gi yaakaar naa lii lañ ciy bañ ëllëg. ngay wax lu ci sa yoon nekkul am nañu des sénégalais exclusivement sénégalais am nañu ay journalistes ñi ciy wax am nañ ñoo xamante ne kenn mënu leen jënd ñu ngi wax li xew ci réew mi donc nekk lañ ci seen ku nekk na toppatoo kaam ku nekk am nga lu la doy man lii laa wax amul leneen France Italie Paris xale na ngeen ñu baax concentrez-vous ci yéen. parce que yeen da ngeen fee ñëwoon am na parti boo xamante ne seen leader bi dafa ñëwoon woon àdduna du neex naqari ba mu waxee ci yéen léegi moom moom ngeen fi nekkal waa France 24 moom moom lañ fi nekkal de mhm. moom lañ fi nekkal ko ko sañ a wax ak ku ko ragal a wax. ba tey ci seen scandale du jour dama ni gis nga àdduna àdduna lépp looy def dañ ci ànd sa xel. bañ ci ànd ak sa xol jadi jadi jogo daw yoon liggéey ci fii waay lu ci ñaan lu ko la xamul lu ci di